Malamine Tomba porte leur parole au micro d'Assanba et d'Aouda Je pense que vous êtes tous au courant du contentieux qui nous lie avec la mairie. Donc depuis février dernier, nous sommes en négociation pour qu'ils puissent nous renouveler le contrat qui a été signé par euh, la mairie précédente, c'est-à-dire celle de Balde. Donc eux, ils sont venus, ils ont vu aussi le contrat. On est rentré en contact avec eux pour qu'ils puissent nous renouveler ce contrat. Mais malheureusement, des malentendus ont eu et ils veulent rompre le contrat chose que nous n'admettons pas. Et c'est pour cela que nous sommes en mouvement aujourd'hui. Ils peuvent prendre ça pour de la politique, c'est leur problème. Mais ce qu'on a à dire sur cela, nous ne faisons pas de la politique. On a le droit de voir toutes les autorités. Aujourd'hui, le contrat qui lie la mairie au bailleur, c'est un contrat vraiment nécessaire. Parce que c'est plus, de, plus de 100 étudiants qui sont là-bas à Dakar. Donc, qui sont ici, c'est des jeunes de qui sont à Dakar pour étudier. Donc, si on les euh, enlève de là-bas, voilà, donc ça sera une difficulté pour eux. Ils ne pourront pas poursuivre leurs études. Maintenant, eux, ils disent que c'est grâce à, je sais pas, un quelconque politicien. Tel n'est pas le cas. Nous n'avons de rapport avec aucun politicien dans le cadre politique. C'est des rapports de fraternité, euh, d'amitié que nous entretenons avec toutes les hommes politiques. Ah, je peux vous dire qu'on a fait sept déplacements de Dakar à Giguinchor pour venir rencontrer la municipalité. Ils nous ont rencontrés maintes fois, mais sur ces sept à six déplacements, il n'y a qu'une seule fois où on avait vu le maire, où il nous a dit carrément qu'il allait renouveler le contrat, mais nous avons euh, constaté que des retards de paiement, cause pour laquelle nous étions sortis, ce qui n'a pas du tout plu à la mairie. Et donc, ils ont décidé de rompre le contrat. Ce qu'on veut faire passer comme message, en fait, je veux dire, que la municipalité sache nous ne sommes en partie avec qui que ce soit. Donc, ils ont arrêté un révolutionnaire, c'est un frère, c'est un élément clé de cette activité. Mais quand même, nous allons poursuivre. De l'autre côté aussi, nous allons euh, mettre les moyens qu'il faut les démarches pour qu'ils puissent être libérés dans les plus brefs délais. asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs suñu chaîne Kifne TV ak mbokki auditeurs yi Ufoka Radio bu ñëwee tay ci xibaaru altine ji mu ak ñaari fan ci weeru janvier atum ñaari junni ak ñaar fuk ak ñett. pecc xibaaru bés bi nag dañ koy doore collectif euh, international sénégalais yi nekk nag pour libération journaliste Pape Alé Niang moom nag mu ngi adressé benn mémorandum parlement européen bi nag pour adoption benn résolution d'urgence en libération bu gën a gaaw nag ak inconditionnel journaliste boobu di Pape Alé Niang Aminata Touré nag Guy Marius Sagna nañ ci lundi matin benn lettre conseil constitutionnel objet bi nag mooy saisine arbitrage pour conflit ak compétence député yi nga xamante ne nag euh, verdict bi tombé na mooy député Pire nag verdict bi tombee na si suba gi ci affaire nag euh, Amy Ndiaye Gniby député opposition boobu muy Amadou Niang ak Massata Samba nag ñoom déclaré nañ leen coupable nag ci yi nga xamante ne moom lañ defoon blessure volontaire pour répression nag ñoom daal condamné nañ leen six mois prison ferme nag euh, en plus nag sentence boobu di war nañ fay daal ku nekk daal cinq millions de francs fa nag Pape Alé Niang gravement nag feebar bi daal rechuté waat na état de santé am euh, xaw na jaaxal ni ngi nag euh, loolu la journaliste Pape sa Faye xamale quatre jours bi nga xamante ne daal euh, bañ na daal poursuivre traitement médecin bi nag ba mu jeex tak état de santé Pape Alé daal gravement rechuté 2023 ci national local yi nag ñi war a dem pour septième champion d'Afrique des nations CHAN de football recevoir nañ drapeau national ci loxo nag secrétaire général bu ministre de sport na Paul Diome. que wax daal information judiciaire le garde des Sceaux nag Ismaïla Madior Fall nag révélé na que cour des comptes amul benn prérogative imposé ministre de la justice nag mu ubbi daal information judiciaire contre ñi nga xamante ne leen épinglé ci gestion Covid 19. jërëjëf mbokk téléspectateur suñu chaîne TV ak mbokk TV di leen ñaanal jàmm salaam.